ak nit ñi di leen won lan moo war a tax ñu voté ak seen choix naka lañ ko war a defee yàlla may ñu nag ba tey ñu yegg ci si bureau de vote ci bésu vote bi ci jàmm ak salaam donc li ñu war a njëkk a def mooy sant ko gërëmit sénégalais yi nga xam ne déglu nañ ñu di leen won ne nit ñi mën nañu ñëw voté ci jàmm ak salaam parce que ñu ngi doon wax naan xëy na am na ay jafe-jafe xëy na am na fu mu am ay jafe-jafe waaye man bi ma yegsee si bureau de vote bi dama choisir ne damay rang pour xam ban mooy jafe bi nga xam ne moom la nit ñi di jànkonteel waaye rang bi li mu gudda gudda paasewul 30 minutes loolu mooy wone ne ku bëgg a def sa devoir sa devoir yi citoyen boo defee tuuti effort rek war nga mën a ñëw voter ñuy ñaan nag sénégalais yëpp ñu génn ñëw ci bureau de vote yi exercer seen droit jafewul fi fi bu démocratie sénégalaise gagne. bu D'abord euh, pour montrer euh, qu'avant d'être ministre euh, je suis citoyenne et le jour du vote la voix de chaque personne est équivalente à celle de l'autre. Ça c'est la première chose que j'ai voulu marquer puisque chaque fois que j'ai eu à voter j'ai choisi de faire la queue et aujourd'hui n'a pas fait exception. Le deuxième message que j'ai voulu faire percevoir aux Sénégalais, c'est que face aux difficultés euh, dont on parle, j'ai voulu montrer qu'en faisant la queue, je n'ai pas duré plus de 30 minutes dans les rangs. Donc, il était important de faire savoir aux Sénégalais que celui qui va exercer son droit de citoyen et qui, veut faire, qui fait un peu d'effort dans les rangs, peut exercer ses droits puisque l'élection se déroule dans la sérénité, dans la paix et nous appelons tous les Sénégalais à sortir, voter massivement pour qu'au soir de ce 30 juillet, la démocratie sénégalaise puisse vaincre et que demain tout, le monde puisse aller travailler. Voilà. Euh, ma principale question est comment se fait-il que vous... Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence un peu déloyale qui se pose à votre niveau, puisqu'on vous met en concurrence avec quelqu'un qui est devenu en quelque sorte une icône nationale euh, Je vous parlais de Bamba Fall, dans, le même bureau de vote. Euh, icône nationale, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous avons parcouru la Médina pendant 21 jours et ce que nous avons perçu, c'est que euh, notre message a été perçu par les Sénégalais. Aujourd'hui n'est pas un jour de discours, euh, pour nous, en tout cas, nous avons parlé pendant 21 jours. Aujourd'hui, ce sont les citoyens qui doivent nous répondre à travers leur bulletin de vote. Et c'est au soir de ce jour de vote que nous saurons qui est vedette et qui est icône au niveau de cette zone. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en, mauvaise posture quand vous défendez la gestion d'un État euh, par rapport à ce qui, qui, qui, qui ne cherchent qu'à vous faire partie de là pour vous remplacer avec euh, les opposants Vous savez, c'est ça le charme de la démocratie. Le charme de la démocratie, c'est que certains disent que c'est bon, ce que nous avons fait est excellent, et d'autres choisissent de dire que ce que nous avons fait n'est pas bon. C'est cela la démocratie. Mais nous, nous nous adressons aux citoyens. Euh, la politique, et les élections ne se font pas au niveau de la presse ni au niveau des sites internet. Nous avons choisi d'aller parler à la population et nous sommes convaincus que la population nous a bien entendus et ce résultat-là, nous allons le voir à partir des, délibérations. Nous pourrons évaluer ce le travail qui a été fait, qui est un travail excellent puisque ce sont les Sénégalais qui mettent leurs doigts, qui voient le travail qui a été fait par le gouvernement.